Les énergies renouvelables, c'est une grande opportunité pour euh, la population rurale et notamment les femmes rurales. Les énergies renouvelables peuvent euh, aider les femmes dans le cadre de développement durable. À noter en premier lieu le solaire photovoltaïque. Avec la lumière, donc, ça peut aider euh, les lampadaires solaires, ça peut aider donc les petits commerces dans le village autour du lampadaire. Pour la cuisson, il y a les solaires thermiques, donc la chaleur du solaire, si c'est vulgarisé, pour aider dans les cuissons avec les concentrations des rayons solaires. Donc ça peut économiser le bois, le chauffe, tout ça là. Et hormis ça aussi, il y a le biogaz. Donc tout ce qui est déchets ménagers, autres là, avec des biodigesteurs individuels par ménage, on peut produire du gaz pour la cuisson. Ensuite, dans le cadre de travaux par exemple pour le maraîchage, il y a le pompage solaire. Le sous-sol du Niger est riche en eau. Et avec l'énergie solaire, on peut extraire à bas coût gratuitement cette eau-là pour faire du maraîchage, pour que au Niger tout le monde boit à sa faim. Donc, les femmes peuvent en tirer un grand bénéfice en utilisant les énergies renouvelables. Ça, c'est incontesté. Les femmes tirent un grand bénéfice en utilisant l'énergie renouvelable parce qu'il y a beaucoup de choses, des kits qui sont là pour aider dans le cadre de la modernisation de leur activité. Si vous prenez l'exemple de la couture, la couture, on peut mettre des machines électriques utilisant l'énergie solaire pour euh, faire le travail plus rapidement. Mais est-ce que ces produits sont accessibles aux femmes rurales Parce que nous savons que généralement, c'est des produits qui coûtent un peu cher. Je suis d'accord avec vous que les produits, pour le moment, ils sont un peu chers. Mais si on voit de l'apparition des euh, produits photovoltaïques au début, un module photovoltaïque coûtait les 300 000. Mais maintenant, on peut trouver des modules de 20 000 et 30 000. donc, le prix est en train de baisser considérablement. Et que si l'État de son côté aussi essaie de vulgariser, subventionner ce matériel-là et former la population rurale, elle-même, elle peut fabriquer ce matériel-là.